le tissu industriel sénégalais est essentiellement dominé par les petites et moyennes industries, qui représentent en moyenne 92,5% du parc. Mais en matière de création d'emplois et de valeur ajoutée, ce sont les grandes entreprises qui dominent. Elles représentent 90% de la valeur ajoutée et 70% d'emplois. L'essentiel de ces industries sont localisées à Dakar, avec 93%, 3 à Thiès, 1 à Saint-Louis, 1 à Ziguinchor. Mais le secteur agroalimentaire reste prédominant avec ses 62,5 suivi du secteur métallurgique avec 10 euh, et mécanique du moins. Euh, pour les actions réalisées, son Excellence le Président Macky Sall a signé deux décrets, dont l'un portant incitation fiscale euh, pour les zones économiques spéciales et l'autre décret l'admission euh, du parc industriel de Diamniadio, de, Sandar, de et de au régime de zone, zone économique spéciale. Pour les actions réalisées ou en cours de réalisation, on peut citer euh, la plateforme industrielle euh, de Diamniadio qui s'étend sur 53 hectares avec un coût d'aménagement de 85 milliards de francs CFA réalisé en deux phases. La première phase qui s'étend sur 13 hectares entièrement réalisé par l'État du Sénégal sur fonds propres à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Donc cette première phase comprend trois hangars de type A de 10 000 m2, un hangar de type B de 5 000 m2, ainsi qu'un bâtiment administratif sur 7 000 m2 à 5 niveaux à usage de bureaux. Les accessoires, l'eau, l'électricité, le réseau d'assainissement euh, sont euh, installés. Actuellement, cette entreprises industrielles, entreprises de services. Ils sont installés à, la plateforme industrielle de Djamnadio, créant ainsi 10 070 emplois. Euh, pour les conditions d'accessibilité au hangar de la plateforme industrielle de Djamnadio, il faudra consentir au moins un investissement de euh, plus de 500 millions de francs CFA, créer au moins 5 emplois par 100 mètres carrés d'hangar et exporter au moins 50% de sa production vers l'étranger. Pour la deuxième phase, du parc industriel de, de Le coût d'investissement est de 60 milliards de francs CFA, déjà bouclé avec Exim Bank euh, China. Donc la construction euh, débutera au, courant de l'année euh, de 2020. 23 000 emplois est attendu à terme. Pour la deuxième phase, également, la deuxième phase comprendra également 15 hangars de type A de 10 000 m2 et 3 hangars de type, de type B de 5 000 m2 ainsi qu'une euh, ainsi que une cité d'habitation pouvant accueillir 25 000 euh, personnes. À côté de la plateforme industrielle de Djamnyadjo, il y a le domaine industriel de Djamnyadjo qui s'étend sur 159 hectares du moins. 20 entreprises y sont installées, créant ainsi 2500 emplois. Et à terme, 20 000 emplois seront créés. Donc au total, pour les deux plateformes, il y aura 43 000 emplois à créer à terme. Pour euh, nous comptons également faire la réhabilitation et la rénovation des anciennes zones industrielles, notamment euh, la zone de Kaulak, de Saint-Louis, de Thiès, mais également de, de, de Ziguinchor. wax tout ci olof tuuti am honorable député yu bëri yu fi euh, poser question di wax le euh, budget ministère de l'industrie budget bi dafa dafa mais japp ma ne budget bi amul benn ministère boo xam ne euh, da nga ndaw ne lu mel ne industrie ne ci le pratiquement lu ëpp transformation structurelle de l' économie reposé wu kooku mënta am industrie xëy na naam ah, euh, bi ñuy ñëw euh, am na lu desoon tuuti mais depuis ba ñu ñëwee créé des projets yoo xam ne ay projet yu structurant la yu mel ne les plateformes industrielles yi nga xam ne gis ngeen waroon cee def war def benn Saint-Louis war def benn Ziguinchor am na am na ci ñëw l'agropole centre dégg nga ko l'agropole centre mi ngi jël kaolak jël Kaffrine jël Diourbel jël fatik également donc loolu lépp jël nañ ko en compte pour euh, euh, defal leen ko y'a l'agropole sud également war nañ koo def war nañoo def également l'agropole euh, nord y'a le pari industriel également ak ëpp minier bi muy ay programme yu bëri yoo xam Euh, teg nañ ko en place ba tax na tey bailleurs de fonds yi nga xam ne dañoo dawoon industrie tey ñoom ñëpp daw si nañ tey wut si industrie pare pour génn seen gafaka pour jàppale industrie mu mën a jëm mu mën a jëm mu mën a jëm kanam mën a mën a ko développé ko donc kon budget bi bu leen seen rek euh, li ñu ministère de finance jox 9 milliards yooyu mais am na yeneen yoo xam ne mi ngi jógee si bailleurs de fonds yi euh, di ñëw rien que l' agropole tey boo xoolee dégg ngeen sànq wax naa 54 nga xam ne mi ngi war a jógee ci ak BAD wax naa également li nga xam ne moom la état bi war a dolli joxe mais sans compter également le secteur privé nga xam ne ñi ngi xaar pour le financement public privé 101 milliards soo xoolee pratiquement rien que l'agropole euh, sud dem na pratiquement ba ay 156 milliards de francs CFA kon kenn waxatul agropole centre kenn waxatul keneen donc budget bi euh, état bi day def loxoom ñu wuti feneen boole ci dolli lépp mat ñu mën a defar industrie bi mu jëm kanam. incha allahu rabbi sama défi au plus tard dans deux ans ma réaliser de vie, c'est industrialiser le Sénégal, le pays. Je vous remercie.